j'espère que yéen a ngi am bu baax a baax ak fu waay mënti nekk donc avant loolu maa ngi leen di ñaan ngeen like vidéo bi boo leen ko seetaanee te maa ngi leen war may mat demee incha allah gars yi avant loolu nag partager leen vidéo bi parce que ngeen partager ko ak seen yeneen xarit yi donc coupon bi Linebet laa koy dugal comme comme ga le voyez les gars donc expliqué dugg leen donc coupon demee la incha allah tey am na benn code cinq boo xamante ne jot naa ko valider si sama groupe euh, si sama groupe donc actuellement ni euh, j'ai j'ai un j'ai de huit million sur mon compte Euh, ma ngi xaar ben benn benn coupon boo xam 2 millions 500 les gars comme vous le voyez ici donc coupon bi mu 2 millions 500 la war a jàpp euh, donc mon ni comme vous le voyez code 5 bi la ma tegoon si 500 000 francs comme vous le voyez Bologne contre donne chaque chaque tard le sexe valide cette coupon donc de manière euh, chaque tard le sexe ne peut pas avoir de bidon dans le match j'ai validé donc est ta à contre FC Salzbourg de manière équivalent marqué chaque

ya valider un coupon code 5LK. donc avant loolu ma dagg fi vidéo bi expliquer leen pour yéen nga xamante ne da ngeen a a am bonus si bet utiliser leen code promo s f lépp en majuscule la dina leen permettre ngeen mën am bonus jusqu'à cent trente mille francs les gars jaajëfee ñëpp. donc comme vous le voyez gars yi deux millions cinq cent mooy some bi nga xamante ne moom laa war a valider d'ici donc les gars actuellement nii nag valider damay xama damay xaar ñu fay ko gars yi damay xaar ñu fay ma comprendre ngeen donc damay ñëw fi ñu bind populaire donc match demi pour moo mën ko am gars donc pari sportif la ñëw fii nii nag mooy match demi yi mu nekk benn match boo xamante ne diggante Bayer Leverkusen ak Feyenoord les gars donc dama koy def les deux équipes vont marquer comme vous le voyez les gars donc sans hésiter donc Bayer Leverkusen déjà bu leen xoolee performance am euh, moom lañ gën a may code bu ndaw parce que moom moo nekk favori donc déjà fii ni boo leen xoolee rek bu euh, ngeen war a xam ni Feyenoord mi dafay dugal te normalement dëkkam la te du bàyyi benn yoon Leverkusen di ko dóor gars soit di ko dominer yenn dominer yi comprendre ngeen comme vous le voyez donc ñu dem si deuxième match mu nekk diggante Benfica ak Crevena Gvida comme da le voyez ici gars yi donc damay dugg si biir match bi donc analyser ko bu baax a baax moo tax ma leen di wax eh, ngeen di toog seetaan jusqu'à la fin comme vous le voyez ngir ngeen mën a comprendre donc gars yi damay ñëw fii xool match Euh, Kevin bi passé dans le mujjee donc nous avons ñëpp dóor kon gars c'est logique ma euh, def double sens qui di Benfica les gars donc demain j'ai fait double sens Benfica les gars donc euh, troisième match on a Barcelone contre Monaco les gars comprendre ngeen Barça contre Monaco donc damay ñëw fii fini analyser ko ba xool donc 2024 seeni sini ñu bu tase le 18 mois la donc Monaco moo ko door 3-0 les gars donc Monaco tamit matcham bi passé mu ngi door euh, lu tolloog 3 bi à 0 les gars donc Barça tamit ñu ko toron 3 bi à 0 Barça mu ngi door matcham bi passé 4 bi à 1 comme vous le voyez les deux équipes vont marquer parce que ñoom ñaar ñëpp taxaw comme vous le voyez ici les gars, les deux équipes vont marquer les gars. Donc quatrième match, on a Arsenal contre Atalanta Bergame les gars. Donc match va commencer 19h à 19 euh, 2024 à 19h les gars comme vous le voyez. Donc match bi euh, vous pouvez faire euh, euh, gars 2 plus 2 plus vous pouvez demander 2 bi plus dans le match les gars donc euh, s'il vous plaît ne vous leen abonner abonné mes vidéos vidéo bi parce que moo New York, doole tamit te mooy tax ñuy def ay vidéo chaque jour comprendre de nous encourager, s'il vous plaît si commentaire Donc, tamit donc euh, quatrième match on a Atlantico Madrid contre Red Bull Leipzig donc comme vous le voyez ici dama a si Atlético Madrid contre Red Bull Leipzig euh, protégé Red Bull Leipzig, première mi-temps, comme vous le voyez, double sens pour Red Bull Leipzig à la première mi-temps, les gars. Donc, comme vous le voyez ici, euh, cinquième match, on a Brest contre euh, Estad Brest contre Ostrom Grèce, comme, comme, comme, vous le voyez, les gars. Donc, fini match, bien du nekk benn match boo xamante ne bu yomb gaay mais euh, dinaa ko jéem a analyser ba xam de match bi nii nan lay demee gaay parfois na ngeen di gis may yeex si affaire yi parce que damay bëgg di leen wanaale par exemple am na ñoo xam ne ñu ngi ma doon laajte lii nii résultat et les deux équipes vont marquer mooy lan maanaam 21 vingt un euh, mooy ñoom ñaar ñëpp euh, dañuy dugal te kii nii kii nii day door comprendre ngeen loolu mooy vingt un euh. waxuma leen ngeen joué ko nag dama leen loolu mooy vingt un mais gars yi loolu priorité loolu loolu waxu tey après dinaa leen si defal benn vidéo bu gudd chaque jour maa ngi leen koy wax nag mais incha allah bu journée bi ñëwee rek dinaa leen ko defaral actuellement nii nag dañuy ñëw fii nii donc dafa am benn affaire bu may seet vous pouvez patienter mën ngeen patienter parce que dafa am lu may seet actuellement nii comprendre ngeen donc mu nekk Brest contre mas euh, Brest bi ak kii ni euh, ak Stream Grace comprendre ngeen donc Brest la que Stream Grace gars donc les gars bu leen vidéo bi s'il vous plaît t'es ngeen am patience gars am patience s'il vous plaît donc vous pouvez protéger Brest et demander Brest un bi dans le match comprendre ngeen ngeen protéger Brest ba pare ngeen laaj ko ben dans donc comme vous le voyez ici euh, on a euh, Paris, Paris Nizini, Nova Novgorod contre Akamat comprendre donc c'est Akamat mon favori actuellement mais dañu comme comme vous le voyez def euh, def def man def def def match par exemple tey dañu def double sens euh, non non couple couples ko double sens du yomb fini donc moins de trois dans le masse, les gars donc comme vous le voyez Kimiki contre locomotive Moscou comme ni nous ko gisee fini donc dañuy ñëw ci marché bi donc def euh, def ko fini nii chaque équipe va marquer plus de deux buts non ça équipe va marquer plus de deux buts non comme vous le voyez ici gars comprendre donc on a euh, match Spartak Spartak Moscou contre Krylia Sovetov comme vous le voyez les gars ce bataille simple euh, coupe de Russie les nekk comme vous le voyez gars donc dañ koy protéger Spartak si laaj ko benn bi si match comprendre ngeen gars donc s'il vous plaît ngeen seetaan ko comme pour ngeen comprendre gars donc comme le euh, Bilbao contre Club Deportivo Leganés donc moo nekk nii on va faire le premier mi-temps gars donc di dañ koy laal premier mi-temps bi premier mi-temps bi deux bi moins de deux bi premier mi-temps gars comprendre donc euh, euh, bien euh, que le 18 là parce que les là bii nii duma leen ko parce que tey là par exemple yi demee yi rek laa leen bëgg a jox moo tax comprendre ils donc yi demee yi donc garaaw naa si boole par exemple tey xala moon voilà la famille comme vous le voyez c'est bien champion Brésil J'ai 28 contre part Foot U20 donc j'ai donné j'ai 28 victoire les gars donc victoire de G28 les gars comme vous le si ici donc demain dugg fii nii xool tamit bii nii tamit demee la incha allah donc j'ai demandé les gars comme vous le deux virgule cinq dans le match comprendre ngeen donc damay demandé deux virgule cinq dans le match euh, deux cinq bi dans le match comme vous le voyez ici gars yi donc yi nag euh, tey la tey la ay une heure du matin gars yi comme comme vous le voyez groupe moom dina fekk tàmbali na comprendre ngeen donc euh, championnat mystique la donc demain, manière def fini euh protéger équipe bini, nii protéger ko ba bien bi comme vous le voyez donc euh, Nasal tan contre club euh, Necaxa donc def ñeu def match prothèse. ni les deux équipes vont marquer les gars sans hésiter gars donc comme vous le voyez euh, montrer comme euh, comme vous le voyez ici contre Jaguares Jaguares mom dina dugal gars donc lu metti metti vão marcar legal. Então, você demanda un bi por Jaguares legal. Como é Donc, euh, demain, il fini bien de U23. Donc, euh, le 18 legal. Quand, quand donc, donc, donc, jël parce que tey le 18 te dama bëgg li ma leen jox yépp ngeen mën ko jël donc bi ni démé la inshallah euh mu saint championnat arabi saoudi al ukhdud contre al xatsiya donc ci bi ni tamit euh, mën ngeen ko def euh, mën ngeen ko def ma alxatiya alxatiya ne papa ava avoir trois bi dans le match les gars donc alxatiya ne papa ava avoir trois bi dans le match gars mën ngeen patienter parce que à tout moment mën naa leen jox code bi comprendre ngeen donc total euh, de plus al orba al jawfa contre comme vous le voyez ici comme vous le voyez ici gars comme vous le voyez donc mon ben code bo xamné code 230 la gars comme vous le voyez ici c'est code 230 actuellement je viens pour miser 130 000 francs gars 130 4031,83. Quand vous le voyez ici, mais on ne peut pas miser tout ça. On peut miser 120 000 seulement euh, parce que l'eau, là, nous, mën a miser si coupon bi gars donc nous, baal ñu dans euh, bu ñu mënoon dañ miser lu bari mais nag euh, du suñ coobare bopp comprendre donc on fait le tolloog 27 700 000 quand vous le voyez donc Feyenoord contre Bayer Leverkusen le deuxième qui vont marquer. Crevena contre Benfica, vous pouvez protéger Crevena. Non, non, Benfica. Donc, Bayer Barcelone contre Asmenanka, vous pouvez le deuxième qui vont marquer, oui. Donc, Atlanta contre Arsenal, 2 buts plus dans le match. Donc, vous pouvez protéger passe bu Red Bull c'est contre Atlético double chance pour Red Bull Leipzig première même temps donc Stade Bressois contre Sturm gazer mon ngeen protéger Stade Bressois laaj ko benn bi ci match bi comme vous le voyez euh, Paris-Niézénique Groot contre Akamat moins de 4 buts dans la match donc Kimik contre Lokomotiv Moscou qui va marquer plus de 2 non donc Sparta contre Krylia Sovetov Sparta Sparta Moscou euh, mën nga ko protéger like donc club Atlético Bilbao contre Club Deportivo donc moins de deux bi première mi donc Juventus FC U20 contre APA Foot U20 donc Juventus victoire de Juventus u donc Grand euh, Paris Pierre contre Liga Sharataw U20 vous pouvez faire total plus de trois bi Gedala Jara contre Leon. Vous pouvez protéger Guedala Jara et demander un bid Donc, Mazatlan contre Club Nehaka. Les deux vont marquer, oui. Massina Tail. Montré contre Jaguar. Vous pouvez demander Jaguarez un bid Donc, Al Ortoud contre Al Khatia. Moins de 3 buts pour Al Khatia. Moins de. Donc, Al Orba contre Al Fetha. Al Fetha. 2 buts plus Danamass les donc mu ngi fay lu tolloog euh, vingt sept millions bu leen fàtte abonné ngeen partager vidéo bi s'il vous plaît gars yi janji fii ñëpp aimé leen